avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette édition du soir sur la télévision Tambara. Ceci dit, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, accompagné de ses proches collaborateurs, a procédé ce matin au CS Harobanda de Niamey au lancement officiel des épreuves écrites du baccalauréat session 2021. D'autres détails dans ce reportage de Ramt Oumarou et Abdul Abdou. Ils sont plus de 90 000 candidats, soit 10 000 de plus que l'année passée à l'échelle nationale, qui se sont lancés à la conquête du parchemin qui ouvre les portes des études universitaires. Avant l'ouverture de l'enveloppe scellée contenant la première épreuve de cet examen et la distribution des copies, le ministre a confié être satisfait du bon démarrage de ces épreuves écrites. Ces derniers a prodigué des sages conseils aux candidats et a donné le coup d'envoi. Par la grâce de Dieu, le président de la République, le Premier ministre, le ministre des Finances, chacun s'est investi. Les syndicats des enseignants, des enseignants et chercheurs se sont investis. La Alcia s'est investie. Bref, tout le monde s'est investi et Dieu a rendu possible l'organisation d'un examen que nous voulons propre. Un examen qui doit refléter véritablement le niveau de notre système parce que système, il faut le diagnostiquer, il faut connaître son niveau pour pouvoir chercher les solutions appropriées au monde qui illuminent. Nous avons souhaité que nous démarrons le nouveau mandat avec des Nigériens propres qui vont demain gérer ce pays. Si ce sont des voleurs que nous formons, c'est des voleurs qui géreront le pays, donc ce sera un pays de voleurs. nous ne voulons pas que notre beau pays soit un pays de voleurs. Quatre jours d'Iran, ces candidats auront à donner le meilleur de pour réussir ces examens. Notons que pour cette session du baccalauréat 2021, toutes les dispositions sont prises pour que ces examens se déroulent dans de très bonnes conditions. À l'instar de tous les examens et concours, la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, Alcia, est pleinement impliquée dans l'organisation des examens Session du BACA, session 2021 pour lutter contre la tricherie. Plus de détails dans ce reportage de Ramt Oumarou et Abdul Abdou. Depuis trois ans, la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées Halsia est engagée dans la lutte contre les fraudes aux examens scolaires. Pour faire en sorte que ces examens soient de bonne qualité, la Halsia a déployé ses agents, mais aussi des personnes ressources afin de prévenir et lutter contre toute forme de fraude aux examens. C'est pourquoi Salis Oubandouma a lancé un appel aux candidats et aux autres acteurs. Si nous sommes investis pour euh, accompagner euh, cet examen, le dernier de cet examen, c'est pour faire en sorte qu'on arrive à avoir un examen propre, un bac propre. Nous l'avons fait par le passé, il y a quelques jours, avec le BPC, mais malheureusement, à ce niveau, nous avons mis la main sur beaucoup de cas de fraude euh, pour le moment, de corruption, on est en train de suivre, voir s'il y a eu des cas de corruption. Mais le fraude il y en a eu beaucoup. Et j'espère que euh, ça doit servir de leçon pour euh, ceux qui sont tentés de le faire, pour le bac. Ils doivent savoir que nous allons veiller au grain. Et qu'ils fassent attention que même leur voisin est capable de le prendre. Parce que la complicité de la cette fois-ci a été encore multipliée par deux. Et nous pensons que, comme le ministre l'a dit, nous avons tout intérêt à avoir un bac et un examen derrière tous les examens du Niger et faire en sorte que les examens du Niger deviennent comme avant. Vous êtes peut-être jeune, pour ceux qui sont plus âgés, ils savent comment est-ce que les diplômes du Niger étaient convoités par le passé. Aujourd'hui, malheureusement, avec euh, ce que nous avons vu, ce que nous connaissons, le phénomène qui est en train de nous, de nous, de nous engloutir, si on ne fait pas attention, alors aucun diplôme du Niger ne sera valable euh, dans les pays euh, voisins, mais même dans les pays au niveau international. Je crois que nous avons intérêt, comme le ministre l'a dit, à nous rattraper ceux qui sont donc euh, impliqués dans cette affaire-là, qu'ils fassent attention et qu'ils peuvent se faire prendre à tout moment. Notons que la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées est impliquée dans l'organisation de cet examen pour permettre au Niger d'avoir des examens justes et propres, nous a confié le vice-président de la Halcia. À Ottawa également, les épreuves écrites du baccalauréat de cette année ont débuté ce 4 août 2021 et c'est le secrétaire général du gouvernement de la dite région qui a donné le coup d'envoi. suivant le reportage de nos correspondants régionaux de Tawa. Les épreuves écrites du baccalauréat session 2021 ont bien débuté dans la région de Tawa. C'est le secrétaire général du gouvernorat de Tawa, M. Miko Ibrahim, qui a ouvert l'enveloppe comportant les premières épreuves du français au jury 151 de la ville de Tawa, logé au lycée Agaba. L'objectif euh, des épreuves du baccalauréat, session 2021, est pour vous encourager vous avez euh, remarqué les mesures et toutes les dispositions qui ont été prises pour que cet examen-là se passe dans les meilleures conditions. Alors pour ce faire, désormais, nous avons à cœur que nos examens soient propres. Et pour qu'ils soient propres, il faut que tout un chacun utilise ses propres capacités intrinsèques. Vous êtes dans un cycle, vous avez passé un certain nombre d'années, vous avez acquis certaines connaissances, et c'est par rapport à ces connaissances-là que vous allez être évalué. Alors, euh, réfléchissez un peu, concentrez-vous, et à la fin des épreuves, tout ira bien ce qui est sûr, aucune tricherie, aucun acte qui va dans le sens de perturber ou d'invalider nos examens ne sera accepté. Alors, ce que nous avons à dire en dernière position, bonne chance, bonne chance et concentrez-vous dans la ville de Tawa, c'est un effectif de 2726 candidats répartis en six centres qui vont à la conquête de ce prestigieux diplôme dans les séries A4, A8, C, D et les VAC professionnels. Les diplômes présents du jury nous donnent des explications sur les conditions d'organisation et du déroulement de ces examens donc les épreuves ont dormi à la gendarmerie, elles étaient prisonnières. Maintenant elles vont être libres avec vous. Vous leur donnez la liberté en obtenant l'examen, des cartons du parti. ainsi accompagner le déroulement de ces examens sur toute l'étendue du territoire national. La période de vacances euh, n'est pas une période de repos comme le pensent certains élèves, mais on échange seulement d'activités. Quelles sont ces activités Voyons cela dans ce reportage de Zainab Gagara et Abdelraouf Dayabou. Ils sont nombreux à se lancer dans des activités génératrices de revenus pendant les grandes vacances scolaires des petits boulots pour ses élèves qui exercent diverses activités à savoir vente de l'eau fraîche, la noix de doum ou la boule à base de haricots communément appelée danwake et autres au bord des goudrons et dans tous les coins et recoins de la ville à la recherche des clients pour subvenir à leurs besoins. Je classe de 5e. Je vends le pied J'achète les fournitures, les sacs et les cahiers et les bics de touche et préparer la rentrée scolaire. Je m'appelle Mamadou Moubarak Maman Magaji. Je suis un élève de l'école CET Niamé 1. Moi, je vends la noix de Doumla avec euh, Kakandadi. Le fait d'aider mes parents, mon père, ma mère et moi aussi. Oui, je vais acheter des fournitures scolaires. Pendant les vacances, je fais mes vendises. Je vends la noix de Doum pour gagner de l'argent. Et j'ai un appel à tous les, jeunes. Je veux que tous mes amis, tous les jeunes, vont prendre un métier, quelque chose à faire pendant les vacances pour gagner de l'argent pour aider leur mère et père pour acheter les, les fournitures scolaires par la rentrée scolaire, Inch'Allah. Notant qu'à travers ces petites activités génératrices de revenus, chacun de ces enfants peut se retrouver au minimum avec 20 000 francs par mois durant trois mois que durent les vacances scolaires. Et ces activités vont sans nul doute diminuer le taux de délinquance dans la ville, le chômage et vont produire dans le futur des jeunes entrepreneurs diplômés d'État dans le pays. À l'occasion de la célébration de la fête de l'arba, beaucoup de plantations se font. Mais que deviennent ces arbres après les plantations Voyons cela dans ce commentaire de Rufat Mahmoud. La fête de l'indépendance qui est célébrée au Niger chaque 3 août depuis 1960 est une fête traditionnellement de Dieu depuis 46 ans à la plantation d'arbres qui vise à persévérer durablement l'écosystème du pays dans le cadre d'un vaste programme de restauration des terres et de la lutte contre la désertification. C'est une fête nationale pendant laquelle des millions d'arbres sont plantés à travers le pays. Mais force est de constater qu'après la plantation, ces arbres n'auront pas de suivi. Ils sont presque laissés à leur propre sort. Beaucoup pensent qu'il s'agit uniquement des plantes. Un arbre et la nature fera la suite. Ce manque de civils après les plantations entre souvent la disparition, la dégradation des kits de plantations d'arbres et laisser place au désert et aux effets néfastes du changement climatique, de l'environnement, ce qui pourra rendre difficile la vie de l'homme et les animaux de la société. Comme le dit un adage, il ne suffit pas de planter un arbre, mais l'entretenir. Pour ce faire, l'État devrait prendre toutes les dispositions nécessaires pour l'entretien et le traitement de ces milliers d'arbres plantés chaque année afin d'atteindre l'objectif visé par la campagne de revoissement. Les accidents de circulation sont devenus de plus en plus fréquents sur la route du quartier l'année 2000. Qu'est-ce qui cause ces multiples accidents qui mènent sur ce tronçon de route de station Teloua vers l'année 2000 Pour en savoir plus, nous avons tendu le micro aux usagers de ce quartier et certains vivraient. Voyons cela leur réaction. Vraiment avec les accidents, euh, comme vous venez de voir, je suis victime même de cet accident-là. Euh, en ce qui concerne vraiment la première euh, des choses ou bien le premier conseil à, à donner, nous avons besoin à ce que l'État prenne vraiment des dispositions. Et les dispositions, c'est de pouvoir élargir la voie, parce que je crois bien que si cette voie-là est un peu élargie, il n'y aura pas, ou bien il y aura moins des accidents par rapport à cet instant. Je demande aussi vraiment une sensibilisation vaste pour mener la conscience des uns et des autres euh, par rapport à leur euh, conduite. Oui, à, ce qu'ils conduisent avec prudence aussi. Ce qui cause des nombreux accidents sur la route de Niamey 2000, là, vraiment, il y a le manque de respect du code de la route et les gens aussi roulent très vite. Mais et la voie aussi, c'est trop serré aussi. vraiment, l'État doit avoir des solutions pour créer au moins... il, faut, il faut que l'État trouve quelques solutions vraiment pour que ces accidents-là diminuent vraiment. Car chaque jour, il y aura trop d'accidents. Vraiment, sur la route de Niamey, vraiment, c'est trop catastrophique. Vraiment. Il faut que l'État veille sur ça vraiment pour avoir au moins quelques solutions. Nous, notre inquiétude, quoi, on voudrait qu'on nous ouvre un peu la voie parce que vraiment il y a tellement d'espace, quoi, vous comprenez Donc on peut dégager les anciennes voitures là. Après, on va nous remonter au goudron, quoi. Parce que vraiment, c'est trop petit, quoi. Toujours, on est dans des accidents, des accidents graves, mortels. Ah, c'est pour cela que nous, ce qu'on à nos autorités, vraiment qu'il nous fasse, même si c'est une petite arrangement quoi. Vous voyez, puisque vraiment maintenant on a eu peur même quoi du goudron c'est temps-là quoi. Il y a accès des voitures, mais vous voyez, hein, il y a le goudron est petit, toujours des accidents. Dans la journée, on peut trouver des fois 8 accidents, 10 accidents. On demande aux mairies quoi, vraiment de trouver une solution pour nous aider, nous, la population de Niamey 2000 quoi. Parce que vraiment, maintenant, ça ne va pas. Quoi. Trop d'accidents. On a des motos, mais on a peur même de monter sur ça. Quoi. Parce que tu viens, tout à l'heure, vous avez vu, il y a un accident mortel même, quoi, sur la voie même. C'est ce que vraiment nous, on voudrait au président Bouazoum Mohamed. Vraiment, il faut qu'il nous fasse un peu arranger cette voie. Quoi. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur la télévision Tambara. We'll be right back.